transport c'est toute la Casamance de Gouloumbou à à à Diogué de de de de de euh, à Umpak, tout c'est la Casamance nous sommes une communauté extraordinairement soudée beaucoup d'ethnies tout soudé derrière l'équipe nous avons gagné le championnat nous allons nous battre maintenant pour prendre la coupe. Et Eteke Diaw Eteke Diaw amul taxaw fu mu ne nii coupe bi la ñuy la xëccu fii te incha allahu rabbi na woon fa woon ci vraiment Casa Sport mérité une tey euh, sacre bi mu am tey ndax euh, seen taxawaay ci championnat Sénégal c'est à saluer équipe bi comme supporter. franchement c'est une équipe très fair play et une équipe vraiment qui joue vraiment le ballon. tey kontaan nañu parce que bettuñu normalement depuis aller bi la ñu a jël championnat bi tey bu ñu ko jëlee ne bettuñu waaw métti na trop waaw parce que parcours boo xoolee fu ñu commencé ak euh, c'est pas facile quoi en fait. nous sommes nous sommes les championnats sénégalais donc nous préparons nous préparer ça pour l'année prochaine euh, bu ñu war dem CAF bi quoi. nous allons nous préparer nous avons une ci phase de éliminatoire dañuy bokk phase de poule Rennes ñun ñoy yobu Sénégal Rennes phase de poule des euh, Ligue des champions des clubs nous ñoko yobu yóbbu parce que préparer nañ ko depuis année yëpp lolu lañ doon pare ce n'est plus une équipe régionale c'est devenu une équipe qui représente tout le Sénégal partout. cadre dañ ko bëgg suñu deret suñu deret la nekk cosaan la c'est pas aujourd'hui depuis 1960 bi 1979 foofu la ñu fekk suñu parents yi lii la ñu fekk lii la ñu xam jàmm ak salaam. Lamine Diedhi moom yal na ko yàlla bàyyi ba ci kanam. amiin yaa ak yàlla.